20h dans les locaux de la Teranga Sénégal, c'est l'heure du grand journal. Tout de suite, les titres. Dans le cadre des préparatifs du Magal de Porohan, le directeur général de l'Office des forages ruraux Hamad Ndiaye était en visite dans la cité religieuse pour constater de vue l'état des forages. À cette même occasion, l'Office national d'assainissement du Sénégal va installer une quarantaine de toilettes mobiles et mettre à disposition 10 camions pour une meilleure prise en charge du volet assainissement du Magal. Nous y reviendrons dans ce journal. Le président de la République a décidé de déclassifier 484 hectares de terrain en vue de régulariser les anciens occupants de Mbour 4 Extensions. C'est la fin du titre. Restez avec nous. Le développement, c'est dans quelques instants xibaar yi daañu des ak moom fallu galasil ak ONAS di office national d'assainissement du euh, Sénégal bi nga xam ne nag jël na ay euh, matuwaay yu am solo jëm nag ci wàllu assainissement ngir màggal gi ñu mun ko amal ci anam bu mucc ayib li ni mel it daañu ci euh, ànd ak moom ay kàddoom ci biir xibaar yi daañu wax ci leneen nag mu soxal wàllu Thiès ak mbuurkat extension ginnaaw bi nga xam ne président Macky Sall daal dinay xaatim lu tolloog ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ay yoo xam ne dañu ko fas yéene dëkkee lu ne mel nag nekk mbégte ci askan woof dëkkee loolu itam daañu ci ànd ak Assane Gueye eh, ma fa amaloon ab micro trottoir ci biir eh, xibaar yi mbokk yi lii moo di ponk yi bu ngeen loo tuuti ñu dikk ak yéen ci faram fàcce gi Bonsoir à tous et à tous. Merci de vous informer sur la Teranga Sénégal. Dans le cadre des préparatifs du Magal de Polohan, le directeur général de l'Office des forages ruraux, Hamat Ndiaye, était en visite dans la cité religieuse pour constater de visu l'état des forages. Il a assuré une disponibilité en quantité et en qualité de l'eau à l'occasion euh, du Magal prévu ce 2 février. C'est un compte rendu de notre correspondant à Kaolak Silla. En visite dans la cité religieuse de Porohan, le directeur général de l'Office des forages ruraux a assuré une disponibilité en quantité et en qualité de l'eau à l'occasion du Magal dédié à Mamdiara Bousso, maire du fondateur de la Tariqa Cheikh Amadou Bamba. Pour rassurer les populations, pour rassurer le calife, qu'effectivement l'État du Sénégal, en particulier le ministre de l'eau et de l'assainissement, par sa direction, par, sa, par son service au fort, fera tout pour que quand même l'eau soit disponible, que les pèlerins puissent avoir de l'eau en quantité et en qualité jusqu'à jusqu'à la, fin du, jusqu'à la fin du Magal. À l'en croire, des dispositions sont prises pour que cet événement est prévu ce 2 février 2023 se déroule sans quoi dans le cadre de l'approvisionnement en eau. Le nombre de châteaux d'eau sont, au nombre de 5. Donc il y a l'entretien préventif des châteaux d'eau, donc euh, avec les services d'hygiène. Donc tous les châteaux d'eau ont été, ont été nettoyés. Un dispositif aussi de camion citerne sera mis en place pour augmenter le volume de, de dessert d'eau. En plus de ça, il y aura une installation d'équipes de ressources humaines, de techniciens sur chaque infrastructure hydraulique de, Flexo, qui est le fermier du périmètre, et, de des équipes de, de, de l'OFOR. En plus de la production des forages, il est également prévu. Il y aura des bâches qui seront mises en place, donc effectivement pour augmenter le, volume de, stockage. Et là où nous sommes, donc au forage de Kerbabou, Diop, donc nous venons juste d'installer le groupe électrogène où le forage était en arrêt depuis, depuis, depuis plusieurs mois. En réalité, ça c'est juste les préparatifs. Le jour J, donc euh, aujourd'hui, il y a une flotte de camions qui est, qui est arrivée. Le 26, le 27, il y aura une deuxième flotte de camions qui sera mise en place. Et le 28, il y aura une flotte qui sera permanente jusqu'au jusqu'au 6, jusqu'au 6 février, après, 4 jours après le Magal. Rappelons que le directeur général de l'OFOR était à Porokhane dans le cadre d'une mission conjointe avec le directeur de l'exploitation et du contrôle de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. door xibaar yi ci kàllaamay Kocc foofee ca Poroxaan xam ngeen ne màggal gi ñu ngi ko jàpp ñaari fan ci weeru février bi ñu dëgmal tax nag office euh, lii di office de forages ruraux di OFOR ki ko jiite di Amath njaay amaloon fa nag ab tukkib nemmeeku euh, bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom fi mu ne nii lu jëm ci euh, matuwaay jëm ci wàllu ndox lu mi lu nu mel daal nañ koy jël ba lépp mun a yemb ca màggal googee nga xam ne ñu ngi koy amal ca diwaanu Poroxaan Fallou Galassi la moo ci dellusiwaat. fexe ndox mu doy ak mu sell loolu mooy bëgg-bëggu office des forages ruraux ki addu li ni mel di seen directeur général. suñu tànk tey bi ñu ministre demande ñu ñëw mission conjointe ak ONAS pour que ñu ñoo xool dispositif bi ñu mettre en place suñ demee ñu rendre ko compte suñ jógee fii dinañ dem si xalifa bi dinañ dem si xalifa bi rendre ko compte ne lii lañ def ci bés bi lii lañ nar a def di sàkku ci moom ñaan moom aussi su fekkee ne am na ay conseil ay directives yu muy joxe ñu mun koo jàpp yeggale ko ministre pour que effectivement màggal bi nit ñi pèlerins yi di ñëw mun a am ndox voilà en disponibilité et en qualité. buñ sukkandiko ci ay kàddoom moo mel ne ñi ngi def seen kent lay kàttan ba màggal poroxaan bi nga xamante ni mi ngi war a am ñaari fan ci weeru février daal di am ndox mu doy te sell. château d'eau yi fiy dox juróom la juróomi château d'eau mag ñoo fi nekk. lépp luy raxas nañ leen parce que aussi ndox bi il faut que ndox mi sell dinañ indi ay camion citerne parce que effectivement ndox bi dina dina ñëw ci kër yi mais comme bërëbu dajeka fi ñuy daje donc dañ fay indi ay camion pour que nit ñi mën a am mën a am ndox mais la ca gën a am solo mooy forage bu ne château d'eau bu ne am na équipe technique buy nekk foofu pour que dès ko forage bi am na problème wala am na dysfonctionnement ñu mun ko gaaw a defaraat moom directeur ofor di àddu ne am na yeneen pexe yoo xamante ni sax dinañ ko def lépp rek ngir ndox mi mën a doy bu baax a baax foofee ci dëkk bu sell bi di poroxaan donc à part camion citerne yi à part château d'eau yi dox jël nañ ay bâche ay mbànd yu mag ndox yoo xamante ne dañ koy def ci bërëb yi nga xamante ne nit ñi suñ fa bëree ñu teg ko foofu pour que ku bëgg a tànk ndox mën a am mën mën a am sa ndox maintenant beneen dernier dispositif biñ def dañoo seetlu woon ne am na forage yoo xamante ne seen groupe yi dañoo paanoon ci biir forage yooyu mooy forage wu kër Babou Diop donc forage boobu groupe am mu ngi nii donc installé nañ ko incha allah à partir de suba donc ndox bi dina commencé ñëw normalement. ci fàttali moom directeur général bu OFOR mu ngi nekkoon mission conjointe ànd kook directeur bu exploitation ak contrôle ci office national bu assainissement du Sénégal ñu gën ko wax. Restons toujours à Porohan avec l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, qui va installer une quarantaine de toilettes mobiles et mettre à disposition 10 camions pour une meilleure prise en charge du volet assainissement du Magal de Porohan. L'annonce a été faite par son directeur chargé de l'exploitation et du contrôle, Pedre Si. Nous l'écoutons également au micro de Falusilla à la suite du directeur de, maintenant de l'OFOR. effectivement, on est là sur instruction du ministre et de notre directeur général, qui est M. Mamou Diallo, pour venir d'abord nous enquérir euh, euh, de la situation et puis voir quels sont les dispositifs que nous devons prendre maintenant pour que les magasins puissent se passer normalement. Et dans ce cadre-là, euh, l'année passée, on avait mis à disposition à peu près 6 euh, camions pendant 4 jours et 30 30 Cette année-ci, notre directeur général nous a demandé de mettre à peu près 10 camions euh, à pendant 4 jours et, 40, par les mobiles, vraiment pour, comme que c'est un événement euh, très important, exceptionnel. Donc les moyens ont été augmentés. À la suite de ça aussi, il y a le service régional euh, de Kaolar qui est chargé maintenant du suivi et de voir aussi maintenant quels sont les autres problèmes qui sont là et qu'on peut prendre en charge. Peut-être dans ce cadre-là aussi, je dirais aussi que pendant la saison des pluies passées, donc où il y avait quelques difficultés au niveau du puits de Mamdiara, on avait eu aussi à faire des travaux pour consolider et éviter maintenant donc, les ravinements qu'on avait maintenant à ce niveau. Cette année-ci aussi, il y a des études qui ont été effectuées pour essayer aussi de renforcer le, maintenant le dispositif de telle manière que la prochaine saison des pluies, qu'on puisse au moins euh, préserver ce puits, euh, là Oui, on est satisfait après cette parce qu'on a recueilli donc, les recommandations et aussi les, doléances. Donc le service régional va suivre. Bon, tout ce qu'on pourra faire d'ici donc le, le, on le fera maintenant pour consolider. Mais comme je dit aussi, l'équipe régionale sera, sera sur place euh, avant la Magal, pendant et après le Magal maintenant pour au moins essayer de prendre en charge bon, toutes les difficultés ou bien toutes les, euh, maintenant les questions qu'on va poser maintenant à dans le cadre de la... des foofee ca Poroxaan ak ONAS bi nga xam ne ñoom itam jël nañu jamono ji ay matuwaay yu am solo jëm ci ay euh, toilettes mobiles euh, tey lu jëm ci également ci ay euh, camions yi itam ngir gën a yombal lu jëm ci wàllu assainissement foofee ca màggalu ko Poroxaan lu ni mel nag bu ñu sukkandikoo ci ki ko jiitee daal di mel ne fi mu toll tembe ci diwaanu Poro Poroxaan li di office national d' assainissement du Sénégal fas yéene wu des benn yoon ginnaaw Fallou Galassi la moo ci dellusiwaat. constat comme ni euh, le directeur général de la foo waxe dañ fi ñew ci euh, man a ko ndigalu euh, suñu ministre Sëñ Mbaye ak man sama directeur général xamata monsieur Mamou Diallo pour ñew encore xol ñu préparer donc magal bi xol lan la nit ñi soxla ak lan lañ fi wax def dal pour magal bi ñun pour wal ONAS daaw six camions lañ fi dugaloon pendant 3 jours pendant pendant 4 jours def 30 trente étoiles mobiles mais année bi suñu directeur général euh, comme comme Magal bi dafa nek lo xam vraiment c'est ben événement bu exceptionnel on va mettre nee nañu nañ ko yokk donc bu yokk boobu joxe autorisation pour ñu def fi 10 camions euh, donc maintenant pendant 4 jours et 40 toilettes mobiles loolu dal moy disposition yoo xam ne jël ko bo gisee say loo xam ne euh, dañ ko dañ ko yok bu maintenant bu baax a baax loolu bu weesoo aussi euh, service régional bi nga xam ne moo fi nekk euh, Kaolack mom mi ngi fi dina xol lepp leneen leneen yëpp yoo xam dal dinañ ko mën bala bala bala magal bi ñu def ko benen bi aussi mooy xam nga daaw ci taw bi kenn euh, maam jaara bi awoon xawoon na am quelques problèmes ci parce que avènement daf amoon a daaw def na fi ay liggéey ci taw bi pour vraiment teen boobu ñu mën ko protéger am na étude aussi bu ñu def pour voir aussi bala prochaine hivernage lan lañ fi mën defar aussi pour consolider aussi pour sécuriser kii euh, puits boobu voilà daal de de manière ramassée daal euh, l'objet de la mission. waaw xel mën na daal parce que pour le dispositif à partir de jeudi tout le tout le dispositif va commencer à être à être en place donc aussi bien les, les, les camions que, pour les, que pour les mobiles. Et donc, comme je vous dis, le chef de service régional euh, a été instruit de prendre en charge. Euh, les, donc, qui est ramené mon service régional, moi à l'Undiaou, moi j'ai une instruction pour que les monde monde ko là. Donc, en par an, je jeudi dit, inchallah, à partir de jeudi, euh, le matériel bien ramené d'affaires le matériel bobu dinañ fi dina pour nous mener def liggéey je le disais en titre, les habitants d'Hombourg, 4 Extension poussent un ouf de soulagement suite à la décision historique du président de la République de déclassifier 484 hectares de terrain en vue de régulariser les anciens occupants de cette zone. Ils sont au micro d'Assange, je vous propose de les écouter. Voilà, euh, donc euh, depuis euh, le déclassement par le président de la République, on a eu de l'espoir. Euh, on a toujours attendu, ça fait plus de 30 ans qu'on est là. les présidents se sont succédés, on n'a pas eu gain de cause. Mais à l'œuvre de euh, M. Macky président de la République, il, nous avait promis de déclasser la forêt et de, euh, nous aligner et de, nous donner des parcelles. Donc c'est fait maintenant. dans la musique aujourd'hui, on a vu que les équipes se sont organisées pour déblayer, lotisser et encore faire des alignements que chacun puisse euh, euh, obtenir sa parcelle. Donc en gros, c'est ça. Et vraiment, nous remercions le président de la République, n'a pas encore eu d'acte, parce que euh, d'abord, nous venons de créer' l'hivernage. Personne ne pourrait travailler ici au mois de l'hivernage. Actuellement, vous avez vu, les machines sont là, sont en train de déblayer et de nettoyer pour pouvoir faire le travail correctement. Donc c'est ça. Oui, oui, il y aura tout. Inch'Allah, mosquée, école et tout ça. Hein hôpitaux et tout ça, il y aura euh, vraiment pour euh, notre quartier. C'est ça. Nous, on a toujours lutté euh, ensemble. Et on a toujours évité ces gens qui veulent toujours nous, utiliser en politique. C'est ça. On a cru à nous-mêmes et on a travaillé ensemble, on a vu les autorités, on a discuté avec eux, on les a expliqués. Et vraiment, maintenant, euh, nous pensons que les fruits vont tomber. Aussi, on demandera toujours à l'État, parce qu'ils ont, bien dit qu'ils vont recaser tout le monde. Mais quand même, vraiment, nous, euh, voulons que ceux euh, dont les maisons ont été cassées, hein, détruites, donc il faudra vraiment les dédommager. C'est meilleur, parce qu'ils ont tellement souffert. Ils ont, du, jour au lendemain, hein, cherché des moyens pour pouvoir construire. Donc vraiment, quand on détruit ces maisons-là, on doit vraiment leur donner quelque chose encore de démarrer leur vie. des ci diwaanu Thiès wax nag ci ñi dëkkee ca Mbourkat extension ginnaaw bi nga xam ne njiitu réew mi président Macky Sall daal dina jël ab dogal ngir décla déclassifier li nga xam ne moom moo di euh, zone boobule mu toll nag ci ñeenti téeméer ak juróom ñetti fukk ak ñeent ci ay hectares lu ne mel nag euh, nekk na mbégte ci askan wa dëkkee foofee ca Mbourkat extension euh, seen i kàddu la ñu yëkkati daal di koy dénk Assane Gueye. luy waral daje bi. ndax yaakaar naa ne mburkat ñun euh, yàgg nañ di daje euh, ci jamono yi ñu weesu ak at yi ñu weesu euh, doon daje di ñaan président de la république décret déclassement pour que ñu mën a am jàmm ci sunu dëkkuwaay wax dëgg yàlla depuis boobu nag ba veyu élection yi ñu weesu ñu amoon décret déclassement bi président bi signé woon décret déclassement bi ñu nekk ci nag ci liggéey bi depuis boobu ba tey nekk ci commission yi di réunion Euh, di def liggéey bu ama am solo euh, tey nag euh, fan yëpp ñu nekk ci mburkat di génn mbedd yi di aligner mburkat di ko di ko réaliser li président de la république waxoon ñuy réaliser loolu vraiment looloo tax tey ñu woote woo presse bi wax wax ak ñëpp wax ak sénégalais yi pour que it ñu mën a xam aussi it mbir mi fi mu toll loolu moo waraloon woote tey bi waaw léegi xam nga këyit dafa am lu ko jiitu balaa ngay jot kayit euh, il faut ñu defar il faut que ñu lotissé ñu aligné ñu borné ñu pour que aussi ñu mën a jot suñuy kayit ndax kayit balaa nga koy jot il faut ñu defar dëkkuwaay ba pare ndax fii xam nañ ni dëkkuwaay bi ni mu meloon euh, dafa am na mbedd yoo xam ne jàllul woon amoon situation yu yu méttee métti yi fi amoon yooyu nag ci la ñu toll tey di ko defar di aligné waat euh, mbedd yi Euh, di di di fas yéene koo borne. pour kenn yi ñu gis ci engins yi ñu gis ci ginnaaw. Euh, ndax bu ñu nettoyé terrain yi ba pare dañuy jël affaire yi sotti ko ci camions yi dem tuuri ko suñu paree nag dañuy aligner ndax plan bi ñu war a def fii defar nañ ko ba pare na. suñ ko defaree ba pare léegi nag daal di koy borne kenn ku ci nekk fa nga nekkoon ñu delloo la ci. Mhm. ñu delloo la fi nga nekkoon li nga xamante ni xibaar yi nga xam ni loolu lañ jot. te aussi te yàlla dafa def aussi euh, euh, autorités yi nga xam ni ñu ngi ci di ko di liggéey ñoom boole nañ ci commission yi. ñu ngi dem ay réunion ak ñoom ñu wan ñu plan bi nga xamante ni bii moom la ñu def fii. Euh, ndax plan bi am na ci yu bari yoo xamante ni parce que dañoo ñëw fii xool kër yi nga xamante ni dafay nekk te mënuñu leen a laal ñu ñëw adopté li fi nekk. loolu yëpp nag mën nañ ñu yërmande la ci li nga xamante ni bii tey jii ñun waa Mbour parce que tey boo xoolee fii suñu ginnaaw ñi fi dëkk nit ñi dëkk nañu mais boo xoolee foofu dañoo ñëw rek def redressement euh, aligné ñu bàyyi ñu foofu amul benn kër goo xam ni rek ñëw nañu toj ko fi Merci à Sangueyi, puis à Lougue, commune non électifriée, impraticabilité des routes, manque d'accès à l'eau potable, lutte contre les abris provisoires dans la commune de Nguidile, localité située à 3 km de la commune de Lougue, sont les principales urgences que le nouveau maire de la commune de Nguidile euh, veut mettre au terme. Monsieur Morgom rappelle que Ngidile va disposer d'un poste de santé qui va permettre à la population d'avoir accès à la santé. Il compte également imprégner les jeunes dans la formation professionnelle. Morgom, conseiller spécial du maire de Ngidile, est au micro de Goromboch. Nous l'écoutons. Il a un problème On a déjà ciblé les villages qui demandaient une extension électrique. Donc le maire a déjà fait le travail nécessaire et sous peu de temps, Inch'Allah, ce doléant sera un souvenir. Et concernant l'addiction d'eau L'addiction d'eau, il y a pas mal de gens également qui ont, qui ont été additionnés depuis cette, cette année. Le problème de gouvernement est en train d'être résolu. Mais, mais il faut On a fait juste une, année. Donc on ne parle pas tous les problèmes en un an, mais on est en train de faire le maximum. Les jeunes sont en train d'être formés. Parce qu'avant de trouver un emploi, il faut moins former les jeunes pour qu'on puisse comment gérer les financements. Euh, les activités à doubler pour, que toutes réussir leur ambition. Euh, 3FRT, le, 3, est en collaboration avec le maire, mais aussi le CRPS de Louga pour, pour résoudre le problème de l'emploi au niveau de la commune. Les urgences concernant la santé Oui, actuellement, le, maire a un projet de construction de centres de santé au niveau de la commune pour alléger les soins médicaux qui sont excessivement chers. Mais néanmoins, il est en train de faire un grand travail pour appuyer également les mutuelles de santé pour alléger les, les coûts des soins. mbokk yi ñu dem ca diwaanu Louga wax nag ci gox bi ñu duppee Ngidile digganteem ak Louga toll ci ñetti kilomètres foofe nag bu ñu sukkandikoo ci Mor nekk nag conseiller municipal ba daal na yëkkati ay kàddu jëmale ci mbébét bi nga xam ne seenu ko jaraaf daal dina koy am ca diwaan ba mu jëm ci wàllu euh, yoon jëm ci wàll itam euh, li nga xam ne moo di euh, ñàkkum ndox ak lii di taal li nga xam ne moo di. dëkk yi nga xam ne amul euh, courant loole nag bokk na ci mbébét yi nga xam ne daal dinañ koy sumb mu yëkkati kàddu gi daal di koy dénk suñu naataango Gora Mbodj effectivement commune moom boo ci Sénégal rek am na ay jafe-jafe parce que nit ñi aussi tamit euh, dañoo war a am nit fu ku ci nekk fa nga nekk da war am ndox da war am courant da ngaa war a faju da ngaa war a jàng da ngaa war a lépp yooyu également ne ay compétences transférées yoo xam ne bu ko état bi transféré maire yi kon loolu maire yi la war kon jafe-jafe yi moo tax ñu takk ku ñu ci teg nag pour ay jafe-jafe yaa war indi ay solution jafe-jafe yooyu comme ni nga ko waxee électricité am na ci problème mais dama ne ci espace un an yi ñu bi defagum bu ñu jàpp bu ñu demee ba cinq ans jàpp nañ urgence commune bi bokk na ci tey jii benn ñu am benn centre de bu moderne boo xam ne euh, képp koo xam ne am nga problème santé boo ci demee ba nga fay faju mais également ñu accompagner leen tamit ci taxawal ay mutuel de santé bu dëgër dëgër boo xam te ni maire dana ci apporter subvention bi am doole ba également képp kuy faju nga xam ne ordonnance ni mu chéré dañ ko mën a allégé bu baax a baax a baax ba loolu te da nekk loo xam ne dana a baax. emploi des jeunes waaw emploi des jeunes ñu ngi tout ay ñu ngi collaboré également ak santé santé bi nga xam ne ñu ngi fi Louga di ak maire bi nga xam ne tey jii jafe yi nga xam ne jeunes dañu ko am problème emploi loolu tamit ñu ngi ko résoudre mais jàppale daal un an yi daal li mu fi defagul jàpp nañ ne bu espace de 5 ans yooyu yëpp dañ ko résoudre mu ngoog ñu wéy ci euh, xibaar yi ak euh, mouvement citoyen pour le développement du euh, Sénégal di MCDS bi nga xam rek daal dinay amal édition bu njëkk du Noël des orphelins ci lycée technique André Pitanvin foofee ca diwaanu Saint-Louis mu nekk nag taxay bu am solo boo xam ne dina koy amal jëmale ko ci gone yooyu le Abdoulaye Kassé di coordonnateur bu mouvement MCDS dénk na ay kàddu Sophie Dramé ñu teewlu ko waa xam nga MCDS dafa nekk mouvement bu nga xam ne bàyyiwul benn couche sociale donc boo xoolee bi ñu jógee si talibé yi dem si élèves yi jógee si femmes yi dem si jeunes yi pour les formation commission féminine bi dafa am xalaat mu ni pourquoi pas ñu jël ñi nga xam ne ay bàyyoo lañu maanaam ñi nga xam ne seen waajur yi dañu teel a eh, génn àdduna bàyyi leen donc xale yooyu dañuy seetlu que ni lu si ëpp société bi dañ leen di fàtte donc duñuy faral di amal ay événement wala ay activités yu nga xam ne di leen di faral di bégal donc looloo tax commission féminine bu mouvement MCDS ñëw indil activité bi donc président bi monsieur Badara Gueye sawar si loolu ànd ak ñoom donc ñu daal di ànd ak ñoom wut ay cadeau ñëw fii tey ngir ànd ak xale yooyu noonu bégal leen rendre leen le sourire jox leen ay cadeau di seen ay kër mën a continuer si mbégte boobu noonu. waaw xam nga société bi ñi muy faral di bindoo mooy ñi nga xam ne ñu nekk seen ay waajur seen waajur di dund. da leen di defal lepp lu ñu bën euh, lu bëgg donc ñom ñi nga xam tamit nekk ñu donc mouvement bu euh, MCDS da leen delloo seen cër delloo leen seen euh, mbégte ak sen contentement donc droit la ci ñom parce que xalé boo mënti gis ci aduna amna na le droit au bonheur donc le droit à l'éducation le droit à la santé mais surtout le droit à la joie

Et pour terminer cette édition, le mouvement citoyen pour le développement du Sénégal MCDS a organisé la première édition du Noël des enfants au lycée technique André Peytavant pour redonner le sourire aux enfants orphelins. Ainsi, il lance un appel aux autorités sans de venir en aide aux orphelins. Abdoulaye Kassé, coordinateur du, coordonnateur du mouvement MCDS, s'est prononcé au micro de Sophie Dramé comme vous le savez, les orphelins, ce sont des enfants à qui la vie a très tôt ôté les parents. Donc, c'est une couche très vulnérable. Donc, MCDS est un mouvement qui englobe toutes les couches sociales, qui se rappelle de toutes les couches sociales. C'est pourquoi nous avons pensé, à travers notre commission féminine qui a initié cet événement, à rendre le sourire à ces enfants-là, organiser une fête pour, les, pour leur distribuer des cadeaux et fêter avec eux cette journée qui va marquer notre première édition de Noël des orphelins. Donc nous les avons invités ici avec leurs proches pour, euh, pour leur distribuer des cadeaux, inviter des musiciens et partager avec eux cette journée pour leur rendre le sourire, pour leur faire savoir qu'ils font partie aussi de la société, que nous ne les oublions pas, que nous ne les négligeons pas aussi. Donc c'est une couche qui est très vulnérable parce que l'amour parental est très fort euh, pour un enfant. Donc ces enfants-là ont vu leurs parents partir très tôt. Donc voilà, nous disons aux autorités aussi euh, euh, de se rappeler de ces enfants-là. Donc de leur dire que ces enfants-là font partie de la société. Donc, euh, ils sont peut-être l'avenir euh, du pays, parce qu'on ne sait pas. Donc, euh, nous lançons un appel aux autorités saint-louisiennes, mais aussi du Sénégal, en leur disant qu'il faut accompagner ces enfants-là. Il faut aussi faire des programmes spéciaux pour ces enfants-là, pour les accompagner, surtout à l'école, aussi bien française que et de leur souvent euh, faire des surprises et de leur donner des cadeaux et tout cela. qui met fin à ce rendez-vous d'information merci de l'avoir suivi restez fidèles aux autres programmes de la TSTV bonsoir. jërë ngeen jëf lii moo gënoon fës ci euh, xibaaru marax yi lay jox leen euh, dig daje ni ko ëllëg euh, si suñu yeneen jotaayu xibaar juróom-ñeenti waxtu seen émission bëre bi dinañu fas yéene andi lu soxal signature de contrat bi dox ci digënté Bombardier ak ki nga xamné modi tafatine di Tapha Tine mbokk yi ak suñu programme ci télévision Teranga Sénégal jërë jëf.